bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule le mercato sur 13 TV Mboki yi dal ci mercato sur 13 TV bu ñu tukkandikoo ci rapportu la Gazzetta dello Sport pistu bi Yobu, yobbu Koulibaly Manchester City ba tey mooy compliqué Guardiola dafa bëgg défenseur bi 70 millions yi nga xamné mom la Naples soxla jamono ji mom lañ ci tegagul nenañu De Laurentiis de président de Naples bi City buñ ci 5 millions d'euros dina leen jaay Kalidou Koulibaly Regina 1914 nga xam ne day doog a yegg saison bi la ca série B dina renforcer effectif am ak ñaari recrue kenn ki di militaire sénégalais bi di Riccardo Fati di joueur boo xam ne xam na bu baax championnat Italie ndax jot na fa football ca Serie A ak AS Rome diggante 2006 jàpp 2010 gàddu fa sax coupe Italie ci atum 2007 bu ñu sukkandikoo ci sunuy source ca Italie transfert bi daanaka yemb na te daañu ko officialiser fi ak i fànn ñu ngi wax ni dina fa signé moom Fati contrat wu trois ans ak club italien boobee Abdoulaye jàlloo am na beneen club moom mi nga xam ne bi mu résilier am contrat ak club turc bi di Galatasaray SK ba léegi amul woon club signé na ca Nottingham Forest ca Angleterre ci fàttali laata muy dem ca championnat bu Turquie Abdoulaye jàlloo mu ngi nekkoon ca France ci Stade Rennais. lu mois Sadio Mané amna benen joueur africain bo xamné ancien sélectionneur bu Pays-Bas bi de Ronald Koeman yore FC Barcelone soxla Modi, égyptien bi di Mohamed Salah bu ñu sukkandikoo ci Foot Mercato DAZN ñomit it dëggal nañ bile xibaar bi ñu ci kenn ci xarit Ronald Koeman di Jacques Swart mi nga Nena wa Barça bëgg nañu jënd égyptien bile nga xam sax mom nee wa Barça bu ñu ko soxlaa na ngir fekki di Bertrand Traoré dina signé contrat ak Aston Villa fi ak lu yagul dara mom attaquant lyonnais bi dina jaar ci Danemark ba nopi ngir def visite médicale lata Mouidem, muy dem di rejoindre équipe bobé nek ci championnat Angleterre. Saïd Benrahma 25 ans nga réalise une na saison bu am solo ak Brentford ak 17 buts 10 passes décisives ci 46 matchs yu championship. mu ngi waaj a dem Crystal Palace bi nga xam ne teg na ci taabal bi deux millions d'euros bu ñu sukkandikoo ci journal la Sun Selon Marca, l'FC Barcelone, principal candidat pour accueillir Lautaro Martinez, devra débourser 90 millions d'euros, ce qui implique de vendre un ou plusieurs éléments si le Barça souhaite attirer ce remplaçant de poids à Luis Suarez. Le quotidien précise que des discussions entre les deux clubs se sont intensifiées ces derniers jours. Pendant ce temps, Sport Media 7 annonce lundi que les représentants de l'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, sont tombés d'accord ces derniers jours avec le Real Madrid autour d'un contrat assorti d'un salaire annuel net de 8 millions d'euros. Il se murmure aussi que le Serbe Lukajovic pourrait être inclus comme monnaie d'échange dans l'opération. Le Barça se fera-t-il donc souffler sa cible prioritaire par l'éternel rival merengue Affaire faire, à suivre Tension maximale, titre le quotidien sport en Espagne ce lundi. Selon le journal, rien ne va plus entre le FC Barcelone et Luis Suarez. Le club ne compte plus sur l'attaquant et le pousse à accepter l'offre de la Juventus, mais l'Uruguayen refuserait. Toujours à la recherche d'un club depuis son départ libre du PSG Edinson Cavani se serait proposé au FC Barcelone selon Sport. L'attaquant uruguayen aurait contacté le club catalan à deux reprises au cours de l'été sans que ce dernier ne réponde favorablement à sa demande pour l'instant. Le latéral gauche madrienne Sergio Reguilón serait proche de s'engager avec Manchester United selon Marca. Prêté à Séville la saison passée, le joueur de 23 ans pourrait signer contre un chèque de 25 millions d'euros même si la Real ne serait pas contre un nouveau prêt. Branislav Ivanovic s'apprête à faire son retour en première ligue. L'ancien défenseur de Kelsey Chelsea, libre après la fin de son contrat au Zénith Saint-Pétersbourg, doit rejoindre West Bromwich Albion après la défaite subie à domicile face à Leicester du match 0-3. L'entraîneur Slaven Bilic a confirmé l'arrivée imminente du Serbe. Selon As, Citizens de Manchester City ont proposé 89 millions d'euros plus 5 sous forme de bonus à l'Atlético de Madrid pour José Maria Jiménez. Les Colchoneros n'ont pas répondu mais attendraient 120 millions d'euros pour leur défenseur uruguayen de 25 ans. La Juventus est prête à dégainer dans le dossier Mona au milieu de terrain français de l'OL Oussem Awar que la vieille dame semble vouloir clore rapidement. Ce matin, le quotidiano Sportivo qui l'affiche sur sa une assure que l'affaire pourrait bientôt être réglée pour Awar. Reste à savoir quel prix demande l'OL et si la Juve sera prête à s'aligner. Une offre aux alentours de 50 millions d'euros pourrait bien faire plier le club de Jean-Michel Aulas. Il était annoncé dans le viseur du Stade Rennais au début du mois, mais cela semble de l'histoire ancienne d'après FCNT News est confirmé par le Corriere dello Sport. Le défenseur de l'Inter Milan, Diego Godin, va rebondir à Cagliari. Le Goyen, arrivé l'an dernier après neuf saisons à l'Atlético Madrid, n'a pas d'avenir aux yeux d'Antonio Conte. Les deux clubs italiens se seraient entendus sur une somme de 2,5 millions d'euros. Cagliari avait terminé 14e de la dernière saison de Serie A. D'après Sky Allemagne, Angers et Fribourg sont proches d'un accord pour le milieu de terrain du SCO à Baptiste Santa Maria. Le club angevin aurait repoussé une première offre 11 millions d'euros. Le SCO en réclame 15. Un terrain d'entente pourrait être trouvé dans les prochains jours. Le joueur de 25 ans veut rejoindre la Bundesliga. Il aurait déjà dit au revoir à ses partenaires. L'ancien Stéphanois Yann Villa vient de s'engager pour trois saisons avec l'Olympiakos. L'international français n'entrait plus dans les plans de Claude Puel à l'Aïs Saint-Etienne et s'apprête ainsi à découvrir son cinquième championnat ñu jeexalee ak bonus sport euh, ginnaaw ëllëgug euh, Paris Saint-Germain Olympique de Marseille bi nga xam ne Marseille yi ñoo ko gagné 1-0 te ñu nemmeeku ci cinq cartons rouges ak ay jàppante yu bëri naka noonu tey incident ligue euh, de football professionnel bu France dëggal na tey ci altine ji ne commission de discipline daanu ci waxtaan ni ki mercredi bile ngir xool yan dogal lañu ci jël membre commission indépendante boobee daañu xam ana ñaata match lañu ñu war a teg daan ñi nga xam ne ñoo ci amee carton rouge mu di Levin Leverkusen ak Leandro Paredes ci côté Paris Saint-Germain ak Dario Benedetto ak Jordan Amavi ci côté Olympique de Marseille ñom ñep nga xamné dañ leen exclure ci temps additionnel bi ginnaw après xex bu metti bu mu amé ci waxtu wowe ci fatali ndam li moy bu bi nga xamné wa Olympique de Marseille am nañ ko ci Paris Saint-Germain niki 2011 ba légui mu daanaka ci fukki at Pape nouba dougal dugal na ñaareelu bitam ci championnat bi ba tax équipe bi di Nancy bu Salou Ciss ak Ousmane Sissoko Pape nouba bi bii mooy bitam ci ñetti jongante yo football na ko ak ñor Ligue 2 ginaaw bu mu dugalee won 49 buts ci 58 matchs ak Atlético Marseille ci 2016 mo meilleur buteur bu Ligue 1 bu Sénégal ak 17 buts ba taxoon ñu jour ko jouru saison bi wa ANPS di association nationale bu presse sportive bu Sénégal ñoko ko Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce Mercato sur 13 TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.